suñu compagnonnage a depuis l'éclairage du stade Lamine Gueye jusqu'au parrainage et l'activité de ñu def FIOP. mais Yakarna ne l'histoire retiendra que nous venons de poser un nouveau jalon dans le cadre de cette collaboration L'activité de ñu def éclairage stade bi

ma conviction reste que les activités de l'ODECAV ne doivent pas se limiter seulement à trois mois. Mais ODECAV, ASI, war les organismes de développement l'ol les Chers jeunes de Kaulak, mes amis, je resterai toujours jeune dans l'âme la jeunesse de Kaulak représente 65 de la population donc vous êtes l'espoir de Kaulak. vous devez être le moteur du développement de Kaulak. et je pense que vous devez faire partie de cette génération du pétrole et du gaz qui est très cher à son excellence monsieur le président de la république Lol bu il faut qu'on s'occupe des élèves des classes intermédiaires je n'ai pas hésité un seul instant si jungle lepp ndax ñu nara gérer suñu ressource yi <coughs> mooy ñi jang kon bok ma ngi leen di gëreum di leen sant di wax ne li ñu def ni tay dina nek active boo xam dinañ ko répéter lu bëré bëré bëré bëri pour l'intérêt de Kaolack yeen yéen mëna doxal Kaolack yeen yéen mëna taxawal Kaolack posé nañ nak ben acte bo xamne ren sur reboisement la président Thioune je lance un appel je lance un défi je ne pour que d'ici trois ans on viendra planter 10 000 arbres c'est ça l'objectif on viendra reverdir Kaolak, on viendra récompenser les meilleurs élèves de Kaolak, on viendra tout simplement accompagner cette jeunesse de Kaolak. qui fera de Kaolack ce qu'elle doit devenir. Pape de bi tey tey soo ñëwee taxaw suñu wet du nekk loo xam ne lu ñu bett la ndax yàgg nga ko def yàgg nga ñu jox ay mayo daw joxe nga ASC yëpp ay mayo daw jéeg ñu tok stade amul lampe courant bi euh, projecteur yi yaqku nga dem biñ ko déggé nga né li xalé yi bëgg li sportif yi bëgg da loolu lay def nga dem jël ay projecteur jox ñu ko ba stade bi leer naan ñu mu commencé suñu activité zone 1A bu ODCAV de Kaolack bi présent et sa juvité, yàgg nga nekk seen parrain chaque année nga parrainé leen chaque année nga defaat ko chaque année nga jël li nga defoon beaucoup ko boo ko yokkul bay encadré sen cours de renforcement yi ñu doon def pour sen élèves yi donc so tay ñëwé tay and ak ñun bi ñëwé gis la ak suñu ñaari projet nga né projet de développement bu jëm ci Kaolack loolu duma ko gantu dama koy And ak yéen dama koy jël en charge def ko entièrement et totalement loolu nga ñu won ba paré né teg ci né kat duma len leen nonu ASC bu nekk dina ko jox 100000 francs pour accompagner ko ci liggéey bi ñu wara def. ah jël garab yobbu lu bax la waaye fexe ba à l'heure du bilan ñu fexe ba 95% de ces plans là mu nekk lo xamné réussite lay nekk loolu lañ ko mun a delloo njukkal loolu lañ mun a def pour que Kaolack ñu mun a reverdir Kaolack parce que 72 ASC yi fi nekk yëpp ku ci nekk boo jëlee 20 plans nga yóbbu ko sa quartier boo fexee ba nga xam ne 18 yi baax wax dëgg yàlla réussite lay nekk et bu boobaa Kaolack dina nekk une ville verte.